le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. C'est un espace d'échange et de débat que vous propose le Studio Kalangou. Aujourd'hui, vendredi 28 avril 2017, le forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine marquée par les récurrentes coupures d'eau et d'électricité dans la capitale et dans d'autres grandes villes du Niger. La publication mardi dernier de la 15e édition du classement Reporters sans frontières RSF sur la liberté de la presse dans le monde ainsi que la déclaration des journalistes de l'espace CDAO plus la Mauritanie réunis la semaine dernière à Ouagadougou, déclaration dans laquelle ces derniers ont souligné la dégradation depuis deux ans de la liberté de la presse au Niger. La visite à Niamey de la procureure de la Cour pénale internationale, la Gambienne Fatou Ben Souda. Le dépôt du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Uranium Gate qui divise les députés et les élections françaises avec le déroulement de la campagne pour le second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Avec nous ce soir pour euh, développer ce thème, euh, Sédic Ali Boukar, journaliste indépendant. Sédic Ali Boukar, euh, bonsoir. Bonsoir. Murtala Mamadou, journaliste au journal La Griffe. Murtala Mamadou, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Sekouberi Ibrahim, journaliste à la fois du Sahel. Sekouberi Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Et notre quatrième invité est Abba Chari Arimi de la radio alternative Abba Chari Arimi. Euh, bonsoir. Bonsoir. Le premier point du forum de la presse de ce vendredi 28 avril 2017 porte sur les récurrentes coupures d'eau et d'électricité à Niamey. En effet, depuis plusieurs semaines, l'eau ne coule plus le jour dans les robinets dans certains quartiers de Niamey, de Maradi et Zander. Pendant ce temps, la Nigélec, la Nigérienne de l'électricité, elle aussi, continue encore comme à l'accoutumée avec euh, les coupures intempestives de l'électricité. Et tous les deux fournisseurs ne communiquent pas pour expliquer aux consommateurs le pourquoi et jusqu'à quand on durera euh, le calvaire. Euh, on va vous donner la parole, Ali Boukar. Avez-vous tenté de comprendre cette situation? Euh, <clears throat> merci euh, de m'avoir donné la parole. C'est une situation qui rime avec euh, un paradoxe qui n'a que trop duré. les Nigériens, dans tous les cas, ne comprendront jamais qu'en 2017, que leur pays ne soit pas capable de satisfaire leurs besoins en énergie, après tant d'investissements réalisés non seulement par le pouvoir en place, mais aussi après vraiment, en tout cas, avoir beaucoup euh, chanter, et surtout le toit, vraiment, en tout cas, les efforts faits dans le sens vraiment de mobiliser les ressources nécessaires euh, tendant à satisfaire ce, euh, besoin. moi, depuis environ deux semaines, j'ai tenté de comprendre pourquoi l'électricité n'est pas assurée aux Nigériens, puisque c'est ça en réalité la réalité. Aujourd'hui, la Nigélec est une société non seulement incapable d'assurer vraiment sa mission régalienne, celle vraiment de finir de l'énergie, mais aussi nous sommes dans une logique où vraiment les Nigériens, le, le problème des Nigériens n'est même pas pris en compte. Aujourd'hui, tout le monde sait que dans certains quartiers, même de Niamey, non seulement on n'a pas l'énergie, l'électricité n'existe pas, mais aussi l'eau ne coule pas parce que les deux secteurs sont interdépendants. La SPEN ne peut pas aujourd'hui assurer eh, l'approvisionnement en eau potable tant que la Nigeria ne fournit pas l'énergie nécessaire. Tout le monde le sait. Bon, dans tous les cas, avant, euh, le slogan, c'est-à-dire que l'argument qui a été toujours utilisé, c'est celui euh, de dire que le Nigeria euh, n'a pas assuré, ou bien tel pylône est tombé, tel problème est survenu sur tel axe. Mais aujourd'hui, avec l'inauguration de la centrale de 100 MW de Gorubanda, comment est-ce que les Nigériens peuvent comprendre que, moi, chez moi, par exemple, hier, je vais vous donner un exemple de 18h la veille jusqu'au lendemain à 13h, j'ai même posté sur Facebook, j'ai pas l'électricité chez moi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça dans un État qui n'est ni en guerre, ni en situation vraiment en cas de désintégration. Alors, Sidik euh, euh, Ali Bokara, euh, quelles sont les conséquences liées à ces coupures d'eau et d'électricité sur la vie quotidienne des consommateurs Dans tous les cas, les premières conséquences sont d'ordre économique. Vous savez, dans un pays où le commerce dépend en grande partie de la disponibilité de l'énergie, euh, mais vous avez aujourd'hui des ménages qui dépendent à 100% euh, euh, de l'électricité. Les petits commerçants, par exemple, ceux qui travaillent dans la chaîne du froid, ceux qui vendent de l'eau glacée, ceux qui vendent, par exemple, les yaourts, ceux qui vendent, par exemple, les bonbons glacés. Et maintenant, à un certain niveau encore, même les cliniques, c'est-à-dire tous les secteurs dépendent en grande partie à la disponibilité de l'électricité. Les conséquences sont d'ordre économique, les conséquences sont d'ordre social. Il y a des malades aujourd'hui qui sont dans des centres de santé et ces malades-là doivent bénéficier normalement d'un minimum de froid pour qu'ils puissent vraiment tenir. Aujourd'hui, ce n'est pas toutes les cliniques et les centres de santé qui ont vraiment les capacités d'assurer euh, vraiment, en tout cas, l'énergie à travers le groupe électrogène. Donc, les conséquences sont à la fois d'ordre économique et social. Abba Kari Arimi euh, de la radio alternative, selon vous, euh, qu'est-ce qui explique ces désagréments de la fourniture d'eau et d'électricité Comment avez-vous <laughs> l'impact de ces coupures au plan économique sur la santé euh, écoutez, euh, je dirais que c'est une euh, période à laquelle, pendant laquelle on est généralement habitué aux coupures. Mais cette année, nous avions, nous avons fondé l'espoir que, avec notamment la venue de Gorobanda, <coughs> et on nous l'a promis d'ailleurs, que ce problème allait être résolu au moins pour Niamey et ce n'est malheureusement pas le cas. Et euh, nous constatons euh, vraiment avec regret que c'est carrément le statu quo. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle forme de coupure. Euh, en une minute, on peut vous faire trois coupures, de telle sorte qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont leur appareil branché on ne te donne même pas le temps de débrancher que l'électricité revient. Et donc, euh, sur le, premier plan économique, je crois que beaucoup de télévisions, beaucoup de réfrigérateurs, euh, beaucoup de climatiseurs tombent en panne en ce moment, rien que du fait de ces euh, coupures-là. Aussi, moi je dirais que au plan économique, ce serait intéressant de faire une étude pour voir le fonctionnaire aujourd'hui, euh, l'écolier, l'étudiant, euh, qu'est-ce qu'il perd parce que les nuits sont de plus en plus vraiment euh, longues, mais aussi ne donnent pas l'occasion de se reposer. tout simplement parce qu'il n'y a pas d'électricité. nos constructions ne sont pas adaptées au manque parce que nous avons tout le monde construit en béton et tout, voilà. Et personne n'arrive à dormir les cours sont ce qu'elles sont en ville. Donc le problème qu'il faut évaluer pour voir aujourd'hui le fonctionnaire nigérien qui vient après 4 heures, 5 heures de coupure, la dernière fois, vous vous rappelez, c'était pratiquement tout niamé, À partir de 5 heures, il n'y a pas l'électricité. Tu es obligé, quelle que soit l'heure à laquelle tu as dormi, de te réveiller pour venir au boulot. Sincèrement, c'est pour quel résultat mais maintenant, il faut compter le cas des vendeurs de, glace, le vendeur de produits congelés. Les Mais c'est énorme le, le, problème que ça peut avoir au plan économique. Au plan sanitaire, c'est la même chose. On a euh, des, des, hypertendus euh, dont, qui ne peuvent pas supporter vraiment euh, une certaine température, ça on le sait. Et les cliniques, si vous allez, vous vous rendrez compte que c'est rempli de ce genre de malades aujourd'hui. L'actualité de la semaine, c'est aussi la publication du classement 2017 du Reporter sans frontières sur la liberté de la presse dans le monde. Cette année, encore, le Niger a régressé de 9 places l'année dernière. Le Niger était 52e en 2016 et 47e l'année d'avant. Il y a aussi euh, cette déclaration euh, depuis Ouagadougou. un journalistes de 14 pays de la CDAO de la Mauritanie, une déclaration dans laquelle il condamne l'arrestation du journaliste Baba Alpha et la violence policière contre un journaliste du Canal 3 Niger, ainsi que la dégradation de la liberté de la presse au Niger depuis deux ans. Sekouberi Ibrahim de la Voix du Sahel, quel commentaire euh, ce nouveau classement suscite en vous ainsi que cette déclaration publiée depuis Ouagadougou Par rapport aux commentaires, euh, quels commentaires euh, pouvons-nous faire que de constater comme le rapport que la liberté de la presse est en danger et qu'on bastonne à tout bout de champ les journalistes, on, embastille les gens. Bon, donc euh, ça veut dire forcément que euh, nous sommes en danger et qu'on euh, doit faire très attention à ce qu'on dit, tout ça. Là, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de commentaire à faire par rapport à ce rapport qui nous classe quand même, qui nous, qui nous recule. Donc, à ce niveau, je crois que beaucoup de choses doivent être euh, faites par rapport à cela et je pense que c'est peut-être euh, demander à ce que les journalistes ne soient pas en tout cas c'est écœurant de voir un journaliste qui est parti sur le, euh, le terrain d'être bastonné de la sorte pour rien vous qui êtes venu juste pour chercher l'information, parce qu'il vous faut chercher l'information, il faut la donner, on vous bastonne alors que vous n'êtes pour rien. Je pense que c'est dangereux, même pour vous, parce que ce, ce qui est, même surprenant et même peut-être étonnant, euh, nous-mêmes on est en danger. Quelqu'un peut maintenant venir ici nous bastonner. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on n'est pas sécurisé, on n'est pas en sécurité. Et je pense que, bon, il faut que les gens euh, reviennent à des meilleurs sentiments. Il faut qu'on évite vraiment de, bastonner, d'embastiller les, journalistes, qu'on les laisse véritablement faire leur travail. Maintenant, par rapport à ce forcément, euh, c'est clair et net, c'est des journalistes qui sont réunis et que, bon, forcément, ils ont ce n'est pas parce qu'on est des Nigériens que l'extérieur n'a pas un œil sur nous pour quand même critiquer ce qui se passe. Je pense que, moi, je pense que je suis d'avis, forcément, il faut critiquer et il faut vraiment dénoncer tous les abus de pouvoir qui sont euh, faits par rapport aux journalistes et que, bon, euh, ils, sont, ils sont dans leur droit de, de, de, dénoncer ce qui se passe au Niger et je pense que c'est à charge maintenant aux autorités d'arranger cette histoire avec. Euh, justement ce régime qui a signé, comment vous appelez la table de la montagne ou la montagne, comme vous voulez appeler ça comme vous voulez, mais en tout cas, on remarque que la liberté de presse est en train de régresser véritablement. Murtala Mamadou du journal euh, La Griffe, que doit-on comprendre à travers ce recul Est-ce la faute des journalistes comme l'affirme souvent le pouvoir nigérien Écoutez, euh, je crois que euh, pour autant pour les reculs des années précédentes, on pouvait accuser les, hommes de médias, autant euh, pour ce cas précis, je crois que le pouvoir en place doit pouvoir faire son meilleur culpa et reconnaître sa responsabilité, pour une fois au moins. Euh, parce que euh, le, il y a quand même des faits dont vous venez d'évoquer qui sont déroulés euh, il y a quelques semaines de cela qui sont quand même assez graves, qui sont constitutifs, qui constituent pour moi une entrave sérieuse à l'exercice du, métier de la presse. Un reporter sur le terrain, s'il ne bénéficie pas de la protection des forces de l'ordre, qui va le protéger Quand c'est ces mêmes forces de l'ordre qui sont censées lui apporter cette protection, qui s'en prennent à lui, je crois qu'il y a péril à la demeure. de l'autre côté, l'autre euh, cas qui a peut-être beaucoup pesé dans le, recul du Niger, c'est l'interpellation euh, et, l'arrestation du moins de, l'ancien, l'ex-président du conseil d'administration de la maison de la presse euh, pour, dit-on, selon un communiqué du ministère de la communication, euh, un communiqué de presse du ministère de la communication pour un délit de droit commun, soit. On, peut dire ce qu'on veut là-dessus, mais je crois que monsieur M. Baba Alpha ne serait pas aujourd'hui écroué à la prison civile d'Inamé s'il n'avait pas de, de, prise de position qui paraît c'est beaucoup plus critique vis-à-vis du pouvoir. Euh, ce n'est pas fortuit si on est tombé sur un délit de droit commun. On est allé chercher. Là, il y a aussi le cas du journal Le Courrier où le directeur de publication Ali Soumana et Moussa ont payé les frais. Oui, oui, donc là, je parlais des cas les plus récents. Euh, il y a eu forcément avec tout ce qui, toute, euh, toutes les séries, toutes les séries, toutes les séries d'événements qu'il y a eu avec le journal Le Courrier et d'autres aussi organes de presse. Mais je dis que tout ça, là, d'un point de vue, c'était prévisible. Quand des acteurs politiques ou des acteurs de pouvoir de premier plan euh, peuvent publiquement affirmer euh, que tel ou tel organe de presse est notre adversaire ou notre ennemi, je crois que euh, dès lors que cette parole s'est libérée, il fallait s'attendre à des actes de ce genre. Euh, quelles peuvent être les conséquences de ce recul pour le Niger Vous savez, ce genre de rapports ont des conséquences fatales souvent sur euh, l'image du pays, d'abord. Vous savez, chaque pays fonde beaucoup euh, euh, sa stature à l'échelle internationale, surtout sur l'image que l'opinion internationale en a de lui. Et il s'avère qu'aujourd'hui, à travers vraiment ce rapport de RSF, l'image du Niger va être coupée, vraiment en tout cas, va être écornée, c'est clair vous avez vu, c'est un recul. De 52e place, on passe à la 61e place. Euh, en tout cas, dans tous les cas, à mon avis, ce n'est pas un progrès. Donc, forcément, c'est un recul. Donc, euh, pour revenir vraiment, en tout cas, à nos collègues, moi, personnellement, vous savez, depuis 2010, euh, après le coup d'État, par exemple, de Salou Jubo, beaucoup de journalistes ont gazé vous savez, les gens. On ça veut dire euh, quoi C'est-à-dire qu'ils sont. Je, vais m'expliquer justement. Euh, nous avons un monde euh, où il y a beaucoup de journalistes qui ne sont pas des professionnels. Vous savez, c'est des jeunes qui sont venus par l'amour du métier, qui ont embrassé, mais il se trouve que ces gens-là ne sont pas prémunis pour vraiment contre un certain nombre de facteurs pour vraiment exercer ce métier. Donc, le fait qu'ils ne soient pas vraiment professionnels les entraîne forcément souvent dans des erreurs d'ordre déontologique, d'ordre vraiment, en tout cas, de, euh, vous, pouvez appeler comme vous voulez, c'est-à-dire des erreurs vraiment des délits vraiment qu'il les rattrape par la suite. quand on a signé la déclaration de ce qu'il vient de dire, euh, la table de la montagne, beaucoup ont dit mais c'est la fin vraiment en tout cas des abus, c'est la fin vraiment en tout cas de, de l'impunité, c'est la fin vraiment des harcèlement, même euh, des tracasseries contre les journalistes. Moi j'ai dit non, les pouvoirs politiques en place ont toujours tendance à contrôler la presse. Moi par exemple, je vais vous dire une chose, moi je suis journaliste de formation et c'est dans mon sang le métier de journaliste, même si mon père a déjà allé au pouvoir, je vais dénoncer toujours les travers. C'est clair je suis un responsable politique, c'est vrai, mais je ne cautionnerai jamais, en aucun cas, quelles que soient les circonstances, l'abus contre le journaliste. Le journaliste est un témoin de l'état d'une nation. Le journaliste est l'informateur à la fois de l'opinion nationale, mais aussi du pouvoir en place. C'est à travers le journaliste que l'État, les pouvoirs publics en place communiquent. Donc tu ne peux pas euh, museler cette, vraiment cet organe, euh, ce secteur et vouloir asseoir une démocratie. Ce n'est pas possible. Donc le conseil que moi j'ai donné aux journalistes, c'est d'éviter... Vous, parlez de la responsabilité du journaliste. Oui, de la responsabilité du journaliste. C'est pourquoi je dis la responsabilité déontologique. C'est-à-dire quand on vous en veut, quand on veut vraiment, en on vous attend sur un terrain où la moindre faute, la moindre erreur peut vous être fatale, vous aussi vous avez quand même des prérequis vous avez un certain nombre d'atouts qu'on vous a appris à l'école ou même dans l'exercice du métier pour éviter euh, certains abus. Vous comprenez Moi, j'ai été responsable euh, journaliste, et, responsable du secteur public. J'ai exercé en tant que responsable pendant 6 ans, 7 ans, voyez-vous, où j'étais au quotidien sous pression. Des responsables qui m'en veulent au quotidien, heure par heure. Mais j'ai pu les éviter parce que j'ai été plus intelligent qu'eux. Parce que je suis un professionnel. Parce que le terrain sur lequel m'attendent, je n'ai jamais donné l'occasion. Donc c'est pourquoi je dis, eh, il faudrait que nos collègues aussi essayent de voir comment est-ce qu'il faut éviter certains. Par exemple, le cas, vous, tout à l'heure, vous avez cité euh, notre journaliste qui dit qu'il a vu un mort égorgé, par exemple, devant le gouvernorat. Eh, mais pourquoi il n'a pas mis au conditionnel Il suffit qu'il mette au conditionnel pour éviter vraiment, en tout la prison, l'arrestation. C'est tout. Voilà des choses à éviter. Par exemple, quand vous n'avez pas une information vérifiée, une information exacte, si on vous a rapporté, quelqu'un peut vous dire tout de suite, je viens de voir derrière le mur un homme mort. Non, mais mettez le conditionnel parce que vous, vous n'avez pas vu. Vous comprenez Donc, c'est des, euh, conseil conseils que je donne à nos collègues. C'est-à-dire, non seulement je les incite à se, former, pour devenir des professionnels, dans un État, une presse professionnelle, je vous assure que ça constitue une force terrible contre les abus de pouvoir en place. Abba Kari Arimi de la radio alternative, euh, comment améliorer selon vous cette position du Niger ben, écoutez, c'est que les responsables, notamment ceux qui ont le pouvoir euh, de, de, de, museler comme euh, des réalis, euh, se remettent en cause, euh, qu'ils se fassent violence. Il y a quelques années, un homme politique nigérien disait que le Niger n'avait pratiquement rien à vendre que la démocratie. Pour revenir à cette situation-là, c'est de pouvoir avoir le, dos large. Tant qu'on ne peut pas, on ne peut pas être un homme public et ne pas être traîné dans la boue. Euh, quand on est politique et qu'on se targue d'être souvent un animal politique, il faut vraiment accepter d'être critiqué. Surtout que euh, vous avez aussi quand même une certaine euh, presse qui, à la limite, vous fait, fait vos éloges. Donc il faut accepter vraiment d'être critiqué et avoir la tradition vraiment d'apporter des démentis, d'avoir un droit de réponse. Euh, c'est un droit qui n'est pas du tout euh, aujourd'hui utilisé par les usagers de la presse. la démocratie euh, a ses règles. Aujourd'hui, ce qui se passe euh, en France, je sais que si c'est dans notre pays, euh, certainement beaucoup d'entre nous seraient déjà allés en prison. Ce n'est pas que souvent on ne porte pas des gants. Moi, je pense que les gens ont peur d'aller en prison. Ils portent des gants. Mais même la toute petite vérité peut vous vouloir aussi valoir vraiment euh, des représailles. Donc il faut vraiment que les Nigériens, on se dise, que la presse, c'est un des pouvoirs de la démocratie. Ça ne peut pas se faire avec. Et l'opinion internationale n'est pas dupe. On peut vouloir euh, broder euh, l'arrestation d'un journaliste, les gens finiront par comprendre. Comme n'importe quel pays. Aujourd'hui, le, monde, c'est un village euh, planétaire, comme on dit on se rendra compte pourquoi tu as posé tel acte contre tel journaliste. Et un recul, ce n'est vraiment pas dans l'avantage du Niger, tant au plan diplomatique, surtout pour nous qui essayons de tenter d'aller chercher tel financement, tel autre financement, ce n'est pas de nature à arranger l'image du, du régime en place. Cette semaine, la presse nigérienne est largement revenue sur cette commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 200 milliards de francs CFA qui défraient la chronique et qui divise les parlementaires de l'opposition et les parlementaires de la majorité. Le rapport euh, de la majorité a été déposé au bureau de l'Assemblée nationale le 20 avril 2017 et euh, les députés de l'opposition ont à leur tour déposé leur rapport dans l'après-midi du mercredi 26 avril dernier. Sédika Ali Boukar, euh, que peut-on retenir de ces deux rapports Bon, moi je ne suis pas du tout surpris que cette euh, commission, je veux dire ces commissions, parce que euh, finalement on s'est rendu compte que ce n'est même pas une seule commission. C'est une seule commission. mais, c'est deux rapports. Mais s'il y a deux rapports, forcément c'est que cette commission est bipolarisée. C'est-à-dire que c'est une commission vraiment monstrueuse qui a deux têtes. Donc forcément, euh, il faut vraiment avoir en tout cas cette compréhension. Sinon vraiment, par exemple, comment on peut comprendre qu'une commission puisse produire deux rapports contradictoires sur un fait Donc moi personnellement, je m'attendais à ça en fait. Dès le départ, chacun avait sa posture, chacun avait vraiment en tout cas sa perception des choses. Et les députés de l'opposition voulaient à tout prix utiliser vraiment en tout cas euh, cette affaire euh, comme étant vraiment en tout cas un des scandales du siècle pour éclabousser le pouvoir vous c'est une vision, par exemple, politique aussi. Et du côté du pouvoir aussi, euh, on voudrait vraiment à tout prix empêcher à l'opposition de se saisir vraiment, de cette affaire euh, pour qu'elle euh, elle puisse vraiment redorer son blason. étant donné que l'opposition aussi, bon, il faut reconnaître quand même, elle est, dans une situation plus ou moins catastrophique. <laughs> Elle, ne fait pas correctement son travail d'opposition, ça, il faut le dire. Elle a une position morne. Donc, à travers cette position, c'est un militant qui parle. Non, non, non, pas un c'est le journaliste. Moi, j'étais ici en tant que journaliste. Moi, c'est mon constat de journaliste. Dans tous les cas, euh, dans un pays, ce que le souhait, non seulement qu'il y ait un pouvoir, mais aussi qu'il y ait une opposition très forte. C'est ça la démocratie en réalité. un grand homme euh, américain a dit on n'a pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes vous si aujourd'hui l'opposition est forte dans ce pays, la société civile, la presse n'aurait pas fait son euh, ce travail-là et les deux secteurs n'allaient pas subir aussi les conséquences que vous connaissez et qu'on vient de décrire. Donc, il appartient à l'opposition aujourd'hui de dénoncer les travers d'un pouvoir en place, les travers politiques, le comportement politique, la gestion même de l'État. Donc, ce n'est pas à la société civile de le faire. Aujourd'hui, le constat est que c'est la société civile qui fait ce travail. Malheureusement, c'est ça. Et, il paie vraiment un lourd tribut. Et de l'autre côté, la presse aussi fait ce travail. Et elle paie aussi un lourd tribut. Donc, l'opposition doit faire son travail. Et moi, personnellement, pour revenir vraiment, en tout cas, euh, au sujet, proprement dit, euh, je pense que euh, cette affaire risque vraiment de diviser davantage les Nigériens. Puisque les deux rapports sont déjà sur la table. Et, chaque frange, c'est-à-dire vraiment en tout cas de l'opinion nationale, sera intéressée ou par le premier ou par le deuxième. Dans tous les cas, ces deux clans. Donc maintenant, comment est-ce qu'il faut concilier Comment est-ce qu'il faut rassembler tout cela pour que le Nigeria puisse regarder dans la même direction, c'est-à-dire de faire en sorte que la lumière soit véritablement faite sur ce travail-là On ne parle pas de 200 francs. Vous, peut-être, ça va être une préoccupation de 200, 200 000, mais euh, on parle de 200 milliards, mon cher ami. 200 milliards, c'est un dixième du budget national du Niger. Vous comprenez C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, c'est pourquoi, moi, personnellement, euh, mon inquiétude, c'est que faut pas que cela nous euh, amène à une situation où Vraiment, en tout cas, euh, ça provoque une guerre politique. Et cette guerre politique euh, essaie vraiment d'émousser nos élans c'est-à-dire étouffer carrément cette affaire. Sekouberi Ibrahim euh, de la Voix du Sahel. À quoi doit-on s'attendre suite à cette incompréhension sur cette affaire ah Oui, c'est vrai, c'est une incompréhension, puisqu'il y a deux rapports finalement. Donc je pense que certains l'ont déjà dit, ça va forcément diviser. Ça, c'est la première en tout cas, ça va diviser les, Nigériens, mais ça va encore susciter des débats parce que c'est maintenant véritablement que les débats commencent. Quand vous avez deux rapports, vous, en tant que journaliste, vous avez deux rapports. Maintenant, c'est à vous de vous faire votre synthèse et de voir où se trouve la réalité. Mais simplement que de part et d'autre, il faut le dire, la vérité a été escamotée. L'objectif, c'était en fait de faire jaillir cette vérité, la lumière autour de cette affaire. Mais voilà, malheureusement, qu'on nous sert deux, deux rapports. Mais maintenant, Qu'est-ce qui, quel est le rapport qu'on peut, quel qui fait foi de, de qui fait de rapport, quel est ce rapport qui nous dit que c'est ça les, vrais euh, problèmes ou les, solutions Je pense que eh, maintenant nous sommes un peu euh, confus on est confus dans nos têtes, on est confus et ça va faire l'objet de débats, de contradictions, de divisions des Nigériens. Et finalement, euh, je ne sais pas ce que ça va donner, mais euh, moi en tout cas, je reste sur ma soif, je ne sais pas finalement, mais je vais prendre les deux rapports, je vais faire ma synthèse. Mais maintenant, est-ce que toute euh, cette opinion aura la même sensation ou la même synthèse que moi donc finalement, euh, ça va diviser les Nigériens. Chacun va faire, chacun va trouver sa vérité. Bon, on va continuer. Il y on est 18 millions de Nigériens, il y aura donc 18 millions de vérités. Moutala Mamadou du journal La Griffe, euh, il y a eu cette commission d'enquête parlementaire. La société civile, elle aussi, a porté plainte contre X euh, pour détournement de 200 milliards. Est-ce que la plainte de la société civile a des chances d'aboutir moi je crois beaucoup plus, euh, et dès le départ, je l'avais dit, je l'avais euh, en son temps, dit que cette commission était pour moi euh, juste une occasion, une opportunité qui a été saisie par les parlementaires pour faire croire l'opinion qu'ils travaillent, d'une diversion à la limite. Je ne croyais pas au fond que cette commission allait déboucher sur un travail véritable qui allait faire jaillir la vérité, parce que personnellement j'étais convaincu euh, que les guerres politiciens allaient prendre le dessus, et c'est ce qui, et malheureusement, euh, euh, l'histoire vient de me donner raison, et beaucoup d'autres l'ont pensé aussi. il y a un certain désordre qui, qui, qui, vient d'être mis à jour au niveau de, de Parlement, qui est quand même euh, une institution de la République où euh, tout doit être fait selon le reste, dans le respect des, de certaines règles, à savoir le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Est-ce que dans ce règlement, il est permis à ceux qu'il au sein d'une commission, qu'il y ait deux rapports contradictoires. Non. Alors, euh, c'est quoi ces désordres Pour reprendre une question qui m'a été posée d'ailleurs par un citoyen qui m'a euh, interpellé en cours de route, il me dit, mais c'est quoi ces désordres la commission Je dis, euh, ben oui, parce que le citoyen lambda, il se demande qu'est-ce qui se passe. On a dit, tout le monde était d'accord, toutes les parties prenantes à l'Assemblée étaient d'accord pour qu'on mette en place une commission d'enquête, pour qu'on on fasse la lumière, on fasse sortir la lumière, la vérité sur cette affaire. Finalement, euh, ce n'est pas ce qui a été fait. Euh, euh, on a voulu d'un côté essayer de, préserver les positions des uns et des autres et de l'autre côté on a senti une opposition qui voulait aussi se saisir de cette opportunité pour pouvoir mettre à terre coûte que coûte certains acteurs politiques. Donc dans ce contexte de confrontation, forcément qu'au niveau de la commission, on n'a pas pu s'entendre sur une mouture unique du, du, rapport. Donc ça a donné ce que ça a donné. Maintenant, je dis pour qu'on connaisse la vérité, forcément, ce serait le travail qui sera fait devant les juridictions. La plainte de la société civile euh, pourrait euh, enfin. Euh, oui, elle peut, elle peut. Si toutefois la société civile arrive à payer la caution qui est, aujourd'hui demandée de 20 millions, la condition pour que vous constituiez partie civile dans, l'ordre de juridique nigérien, c'est de payer une caution qui, qui, aura été fixée par le juge à charge du dossier. Mais est-ce que la société civile nigérienne aujourd'hui a les moyens de payer cette caution, euh, je ne suis pas sûr. Alors, est-ce que là aussi, c'est une sorte d'obstacle qu'on vient de mettre au, jaillissement de la vérité sur cette affaire qui On dit 200 milliards, aujourd'hui on parle de 800 000 dollars, demain on va nous parler de 200 000, je ne sais pas. Donc, euh, quelque part, euh, l'opinion nigérienne est en train d'être traînée dans, voilà, une sorte de jeu de ping-pong, comme vient de le dire le grand frère. Armi Abbachari de la radio alternative, la procureure de la CPI, la Cour pénale internationale, euh, Fatou Ben Souda, était à Niamey sur invitation du président euh, du Parlement nigérien. Quel est l'intérêt euh, de cette visite pour le Niger Sincèrement, je, je, me suis posé la question. J'ai dit quel est l'intérêt et surtout quelle est l'opportunité parce que le débat dans beaucoup de pays africains et au niveau de beaucoup de citoyens euh, africains, on se pose pourquoi euh, les pays africains persistent à être au niveau euh, de cette cour-là, la CPI on interpelle les, les, dirigeants africains se disent d'ailleurs on n'interpelle que des dirigeants africains n'est-ce pas Est-ce que ce n'est pas une cour qui est mise en place juste pour euh, les Africains donc, euh, des grands pays, vraiment comme l'Afrique du Sud, euh, sont des candidats euh, au départ, sans compter vraiment de plusieurs autres pays. Et moi, on me dit après que euh, cette, euh, la, présidente est invitée au Niger, je n'ai sincèrement pas euh, compris quelle invitation, quelle, quelle, communication a voulu faire passer le président de l'Assemblée. je, reste sur ma fin, sincèrement. Donc, Murtala Mamadou du journal La Griffe, Arimi ne voit pas l'intérêt de la visite. vous aussi, vous êtes de cette ta vie oui, parce que d'abord, le Niger fait partie de, la masse des États africains qui, au cours d'un sommet des chefs d'État de l'Union africaine, euh, avait euh, jugé bon de pouvoir trouver un mécanisme d'une sortie massive, d'une sortie en bloc de cette Cour pénale internationale. Alors, pourquoi aujourd'hui le Niger adresserait-il l'invitation à la procureure générale de cette Cour euh, C'est une question que tout le monde a dû se poser et dont peut-être personne n'a la réponse. Mais moi, j'estime peut-être que quelque part, le président de l'Assemblée nationale euh, dans son, son, euphorie, aussi bien son, désir à vouloir réussir euh, quelque part sa diplomatie parlementaire, a envoyé des invitations à tout vent. Et je reste, je, voilà, et je demeure convaincu que lorsqu'il a peut-être signé cette invitation, il n'était pas sûr que la procureure allait y répondre. Mais c'était une perche tendue à la CPI qu'elle ne pouvait pas manquer euh, à cette période euh, qu'elle traverse une zone de turbulence avec, dans ses rapports avec les États africains. Donc forcément, euh, c'était une occasion de venir essayer de redorer son blason, surtout qu'elle s'adresse là à, la représentation nationale. Je crois que la procureure, Ben souda l'a dit, il est important pour eux d'avoir le soutien des représentants du peuple parce qu'ils travaillent pour le peuple. Bah, et moi, je vais ajouter peut-être parce que vous êtes en des accords avec les exécutifs nationaux. Euh, c'est euh, bon. vous avez quelque chose à ajouter rapidement. rapidement, je dis que d'abord, c'est vrai, je suis euh, comme Arimi, je, ne vois, vraiment pas qu'est-ce que cette dame est venue chercher. Premièrement, deuxièmement, c'est une charge inutile parce qu'on aurait pu construire peut-être un, puits et et là où c'est encore aberrant, il va s'adresser aux parlementaires s'il vous plaît, est-ce qu'il n'aurait pas pu eh, faire sa communication au niveau de la faculté de droit Je pense que c'est là-bas qu'on cherche à savoir c'est quoi la CPI. Mais est-ce que véritablement nos parlementaires, qu'est-ce que ça peut justement, excusez-moi, foutre à ces parlementaires d'apprendre c'est quoi la CPI Excusez-moi du terme. C'est euh, <laughs> Cédric qu'Ali Boukal, certainement vous avez quelque chose à ajouter rapidement. Oui, euh, sur le plan de la communication euh, institutionnelle et communication étatique, c'est d'abord vraiment en tout cas une erreur monumentale de vouloir inviter aujourd'hui l'icône de l'impérialisme, c'est-à-dire la femme la plus impopulaire aujourd'hui en Afrique. Fatou Bonsida non seulement incarne les fonctions de procureur à la tête d'une institution décrite en Afrique comme étant une des prolongations de l'impérialisme, mais aujourd'hui la femme là elle-même, elle révèle le statut par exemple, de traîtres. Parce que beaucoup d'Africains aujourd'hui, euh, le président Gbagbo, beaucoup d'Africains, par exemple Charles Taro, beaucoup d'Africains qui se sont rebellés contre l'impérialisme aujourd'hui, l'influence de l'Occident, sont en train d'être jugés par cette institution. Et nous, Nigériens, comme nous, nous sommes aujourd'hui les champions du paradoxe, et cette dame se retrouve chez nous encore pour nous dire que voilà, moi, je suis là, Franchement, quand tu me demandes mon avis en tant que citoyen, moi, j'ai dit qu'elle aille se faire voir ailleurs. Les élections françaises ont été largement abordées cette semaine par les confrères. Le deuxième tour aura lieu le 7 mai prochain entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors, euh, Abba Arimi de la radio alternative, quels sont les enjeux de ces élections particulièrement pour le Niger pour le Niger, euh, je me pose toujours la question, euh, façon on s'intéresse à l'actualité internationale c'est dû certainement à notre position de pays pauvre très endetté. Sinon, il n'y a pas un intérêt particulier, je pèse, je mes mots vraiment, euh, pour le Niger que, euh, euh, par rapport aux élections qui se déroulent en France. Par contre, aujourd'hui, le, peuple français, n'est-ce pas, a intérêt à choisir euh, certainement Macron que euh, Le Pen, euh, parce que c'est l'extrême droite. On sait un peu leur position au plan social, n'est-ce pas On sait leur position par rapport aux Africains et autres étrangers qui vivent dans ces, dans ces pays-là, mais aussi on connaît leur position par rapport à la diplomatie même internationale. Mais pour le Niger, qui que ce soit qui va venir va certainement avoir le, la même politique internationale. Il ne faut pas se leurrer. L'Afrique reste les pays africains de la, du précaré français, n'est-ce pas De la France-Afrique auront le même statut de pays exploité. Nous allons devoir payer plein, plein de choses. On doit nous forcer à faire un certain nombre de choses qui que ce soit qui va venir en France, ça sera la même chose. C'est un homme de gauche qui, s'en va, n'est-ce pas Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport du temps au temps où Sarkozy était là Sincèrement, je vous dis, la France de De Gaulle à Le Pen ou Macron, ça sera la même chose. Maintenant, notre traitement fait par la France, n'est-ce pas, ne dépend pas de la France, mais de nous-mêmes quel homme politique nigérien va un jour être au pouvoir et dénoncer ce rapport de dominé et à, dominant C'est de cela qu'il s'agit. Mais on n'a pas d'importance particulière à accorder à des élections qui se passent actuellement en France. C'est la même chose. Aujourd'hui, c'est Trump qui est élu aux États-Unis. Il n'y a pas de changement particulier pour le Niger. Il ne faut pas se leurrer. Arimi ne voit pas l'intérêt, les enjeux des élections françaises euh, pour le Niger. Êtes-vous de cet avis Je ne suis pas de cet avis, euh, pour la simple raison que, euh, vous savez, nous avons une relation plus ou moins tutorale avec la France. malgré nous, pendant des siècles, nous avons gardé cette relation. Aujourd'hui, il se trouve que les décisions prises en France ont souvent des répercussions, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, sur la vie de notre pays. Je vais vous donner quelques exemples. Euh, nous sommes dans un contexte où il y a un certain nombre de débats qui sont en cours. Par exemple, la question de l'immigration. Aujourd'hui, c'est une question fondamentale qui occupe une place vraiment en cas de choix dans le débat entre les pays du Nord et les pays du Sud, et plus précisément entre la France et le, euh, Niger. Quand vous prenez le CFA, par exemple, comment rompre ce le franc CFA. Le franc CFA, je veux dire. Donc, euh, ça occupe une place de choix dans le débat entre la France et comment est-ce que les... Euh, beaucoup d'Africains aujourd'hui font de l'espoir que les changements en France peuvent aussi engendrer un changement du point de vue mentalité dans la cervelle des hommes politiques français qui vont accepter peut-être vraiment en cas de rompre ce euh, cordon ombilical et nous affranchir de leur tutelle vraiment en cas monétaire. C'est ce qu'on pense. C'est un intérêt. Vous prenez par exemple la question de l'uranium. Euh, tout le monde sait qu'aujourd'hui au Niger, ce qui nous préoccupe le plus, euh, comment est-ce que euh, les autorités françaises vont changer leur comportement et nous accorder vraiment en le bénéfice de notre matière première qui est l'uranium. Voyez-vous, ça aussi c'est de l'espoir. L'autre espoir aussi, le, terrorisme, les questions du terrorisme. Aujourd'hui, on sait que les Français, les Espagnols, ben, les Allemands, les, moi d'autres, tous sont aujourd'hui sur notre sol. Voyez-vous, comment est-ce que aujourd'hui à Madama, par exemple, et dans le nord de Tilabiri, là, ils sont là sur le plan sécuritaire, ils ont leur carte à qui concerne le Mali, le Niger, la Mauritanie, l'Algérie, la Libye, le Tchad, un certain nombre de pays. C'est-à-dire que ça relève de la géopolitique, euh, vraiment en tout cas de la France vis-à-vis des pays africains du précaré. Là aussi, c'est une question d'intérêt qui euh, aujourd'hui vraiment peut marquer par exemple euh, les rapports. Donc moi personnellement, je dis, il y a un certain nombre de sujets qui sont là, qui nous concernent, et qui les concerne aussi, sur lesquels nous, nous voudrions, nous souhaitons qu'il y ait des changements. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, nous, nous avons vraiment tout l'espoir que eh, le choix de Marine ou, je ne sais pas, de Mokran, ça, je vous concède, ça ne change pas grand-chose chez nous. Dans tous les cas, un Français, c'est un Français. Il va travailler pour la France. Les deux candidats sont les Non, euh, du point de vue sensationnel, moi, personnellement, si euh, vous, me demandez mon opinion, personnellement, en tant que syndic, moi, j'aurais préféré mille fois, vraiment, en tout cas, une euh, Le Pen qu'un Macron. Macron, c'est un capitaliste pur et c'est un homme de banque. Vous comprenez Il ne va pas venir vraiment en tout cas, vraiment en faire le, les beaux yeux devant l'Africain. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va endurcir la politique d'exploitation, la politique c'est-à-dire de spoliation des Africains, et il va endurcir davantage la posture de la France vis-à-vis de l'Afrique. ne vous attendez pas à grand-chose. Mais Le Pen, son avantage, c'est qu'il dit, le seul péché de Le Pen, c'est quoi La France d'abord. Moi, aujourd'hui, si vous me demandez, je dis le Niger d'abord. Vous comprenez Le Niger d'abord avant tout. J'ai dit, même deux chiens se battent, je préfère le chien qui est nigérien. Ça, c'est tout à fait légitime et normal. Il ne faut pas l'en vouloir. Mamadou Bourtala du journal La Griffe, quelles sont les chances euh, de ces deux candidats Écoutez, euh, les chances des candidats, je, vais laisser peut-être aux, spécialistes du système électoral français de le dire, euh, parce que avec euh, les dernières expériences sur les différents sondages et les pronostics des élections, il faut se montrer très prudent. maintenant, peut-être quant à l'éventuel impact que cette élection pourrait avoir sur les rapports entre le Niger et la France, d'un point de vue, comme l'ont dit les, mes deux prédécesseurs, la politique africaine de la France ne va pas connaître un grand boulot versement. Il faut faut pas qu'on se euh, euh, les gens peut-être à un moment ont pensé que euh, quand Obama va arriver au pouvoir, les rapports avec les États-Unis allaient changer. Ça n'a pas été le cas. avec la menace de, qui était à son temps une menace de, l'élection de Donald Trump, les gens ont pensé que ça allait être chamboulé. Il a fallu que les diplomates américains se, en place sur les continents fassent un grand effort de communication pour dire ce n'est pas grand-chose qui va changer. L'essentiel va rester les programmes de coopération, etc. Alors, euh, je crois aussi aujourd'hui, euh, dans le cas de la France, ce seraient les mêmes programmes de coopération qui vont continuer euh, maintenant, avec peut-être en dessous tout ce qu'il y a comme système duquel nous n'arrivons pas à nous affranchir. Mais est-ce que nous devons en vouloir aux, Français de pouvoir préserver certains des avantages qu'ils ont Est-ce que nous devons en vouloir à la France aujourd'hui Non, je crois qu'on doit s'en prendre d'abord à nous-mêmes si nous n'arrivons pas à nous nous affranchir, comme l'a dit le grand frère Sédic, sur euh, certains aspects. Sekoubir Ibrahim, de, de, de, la Voix du Sahel, est-ce que, pour vous, selon vous, est-ce que le Front National est une menace pourquoi une menace Moi, je pense que c'est aux Français de décider. je ne vois pas pourquoi euh, nous, en tant que Nigériens, on va s'égosiller à dire qu'il faut que Le Pen ou Macron ou Hamon. Non, moi, je pense que c'est des Français. sont. Je pense que moi, également, je souhaiterais d'ailleurs que Marine passe pour la simple raison qu'elle est, elle dit la France d'abord. Peut-être que quand elle va passer, elle va nous laisser aussi, nous, on va gérer nos matières premières. C'est ce que je pense. Si elle dit la France d'abord, ça veut dire qu'il n'y a rien que c'est ce que Trump est en train de faire aux États-Unis. Les États-Unis, c'est comme ça. Donc moi je pense que euh, blanc bonnet bonnet blanc, que ce soit Macron, que ce soit Hamon, que ce soit, c'est d'abord même même euh, euh, Macron certainement. La première des choses c'est de défendre l'intérêt de la France d'abord. Mais nous maintenant en tant que Nigériens, ce qu'on doit rechercher, c'est d'avoir une certaine liberté sur nos matières premières. Mais comment, qui va nous donner justement cette liberté Ça va être extrêmement difficile. Mais bon, bonnet blanc bonnet. C'est Ibrahim, c'est la France qui assure la sécurité ici en Afrique. Quelle sécurité Où ça mais les conflit conflits au Sahel. Est-ce que, euh, n'empêche, même au cœur de Paris, les terroristes sont là-bas, ils sont en train de frapper. Vous, vous dites quoi Quelle sécurité Il faut d'abord qu'ils sécurisent leur, leur pays d'abord. Donc, euh, est-ce qu'on peut s'attendre à une surprise euh, très rapidement autour de ces élections Quelle surprise moi, moi, vraiment, je ne me fais pas de, de soucis par rapport. Que ce soit Macron ou Le Pen, c'est la France. Je ne suis pas français. Pourquoi je veux me gosier à dire que c'est X Moi, je vous dis que je souhaiterais même que Marie Le Pen passe. Comme ça, on va régler ça L'aspect sécuritaire vous préoccupe, vous euh, intéresse euh, rapidement en 30 secondes. Tout à fait, 30 secondes. Moi, je suis surpris euh, du fait que vous disiez que la France assure la sécurité. vous savez, en 2008, il y a ce qu'on appelle le plan Dufour. Le plan Dufour qui a été élaboré en juillet 2008 consistait surtout, par exemple, à recréer une carte sécuritaire en Afrique, c'est-à-dire allant de la Mauritanie jusqu'au Tchad. D'abord, un, prendre le contrôle de cet espace Voyez-vous J'arrive, je suis en train de vous expliquer. Et tout cela a engendré aujourd'hui ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, la catastrophe sécuritaire au Sahel avec l'arrivée des terroristes au Nord Mali, la, mort de Kadhafi, et un certain nombre euh, de, problèmes que nous nous connaissons. Et vous dites que ceux qui sont en train de tuer un chef d'État euh, qui est en exercice vont venir assurer la sécurité. Où est la sécurité à Libye Et aujourd'hui, la Libye, le, problème de la Libye aujourd'hui, j'ai eu sur le Niger, j'ai eu sur le Mali et partout Nous sommes euh, malheureusement au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec Sedi Ali Boukar, journaliste indépendant. Nous étions également avec Sekouberi Ibrahim, journaliste à la Voix du Sahel, Abba Thiari Arimi de la radio Alternative et Murtala Mamadou du journal La Griffe. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous mardi 2 mai 2017, même, même fréquence, pour discuter de la problématique euh, d'abus des biens publics au Niger. Merci et au revoir.